le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du forum forum Il est 18h15 à Niamey, l'heure du forum du studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. À Niamey, vous nous suivez sur Alternative FM 99.4 MHz, Enfani FM 100 MHz, Quarta FM 90.9 MHz, et Challenge FM 96.6 MHz. Notre page Facebook Studio Kalangu. Notre site internet www.studiokalangu.org. Nos émissions sont également sur WhatsApp. Le forum du Studio Kalangu est un espace d'échange, de débat, d'éducation et de sensibilisation à travers lequel des personnes ressources apportent des réponses aux préoccupations des citoyens sur des questions d'actualité ou de société. Aujourd'hui, le forum du Kalangu s'intéresse au recrutement parallèle des élèves au Niger comment l'expliquer, avantages et inconvénients. Pour euh, développer ce sujet, nous avons dans ce studio Inoussa Garba, directeur des enseignements au ministère des enseignements euh, secondaires. Inoussa Garba, bonsoir. Bonsoir. Cheibou Dambaji, secrétaire général euh, du syndicat national des enseignants du secondaire SNS. Cheibou Dambaji, bonsoir. Bonsoir. Et Alio Hassan Samna, président de la coalition des ONG et associations pour une éducation pour tous Asso EPT, Aliou Hassan Samna. Bonsoir. Bonsoir. Dans un article intitulé Éducation, les recrutements parallèles plombent l'école publique, paru dans le journal en ligne Niger Inter du 29 novembre 2017, dans bien d'établissements d'enseignement secondaire public, il y a deux types de recrutement d'élèves. Il y a le recrutement officiel, c'est-à-dire des élèves qui sont régulièrement transférés d'une école à une autre ou qui passent de la classe du CM2 à la classe du 6e et les recrutements parallèles qui sont faits par euh, des chefs d'établissement en complicité avec euh, des inspections d'enseignement. Un élève euh, renvoyé d'une école privée pour indiscipline ou insuffisance de résultats peut être recruté au public pourvu qu'il débourse de l'argent suivant les tarifs fixés par les chefs d'établissement. Inou Sagarba, vous êtes euh, le directeur général des enseignements au ministère de l'enseignement secondaire. Que faut-il comprendre par recrutement parallèle Merci euh, Mokhtar de nous donner l'occasion en fait d'aborder cette question de société, ce problème social qui depuis peu en fait ne cesse d'alimenter les débats au niveau euh, du monde scolaire. qui parle de recrutement parallèle, c'est nécessairement au niveau de l'enseignement secondaire et vous l'avez dit, les moyens d'accéder à cet enseignement-là. C'est d'abord euh, l'articulation au niveau de la classe de 6e et du CM2. Vous savez très bien, ça Il faut remplir un certain nombre de conditions pour accéder au 6e. Et c'est un cycle qui est bâti sur euh, quatre euh, années, au besoin 5 ans tout au plus pour l'enfant. Et là, il sera anti de son diplôme, il peut continuer son cursus dans l'enseignement un euh, secondaire général de cycle moyen, euh, dit la seconde. Donc là, la clé d'entrée, c'est le BPC. Et là, il va faire 3 ans, en cas de difficulté 4 ans, tout au plus. Et l'enfant quitte le, cycle. Donc, euh, tout accès qui n'est pas issu en fait de cette voie-là peut être dit comme irrégulier, illégal. Donc c'est ça le recrutement. Tout ce qui ne rentre pas dans le cadre de la légalité. Mais il faut une précision. Hein. Ce n'est pas parce que l'enfant a quitté dans son cursus au niveau du cycle de base, je veux dire le collège, le cycle public, qu'il ne peut pas y accéder. Il peut faire 5 ans, il a quitté le collège, il n'a pas eu le BPC. E La sixième année, il se présente comme candidat libre. Les textes de l'État le disent. S'il n'a pas un âge, parce que euh, l'âge aussi est défini en fait par euh, nos, nos différents textes, c'est 19 ans mais le candidat libre, jusqu'à 20 ans, il a la possibilité d'être orienté et continuer son cursus. Donc cela ne veut pas dire que vous allez voir un candidat libre de l'autre côté dire qu'il a illégalement <laughs> intégré le, système euh, public. Non. Donc ça peut se faire. Il y a aussi d'autres, une autre possibilité que vous ne mentionnez pas, les, les, transferts qui sont des transferts internationaux. Je veux dire, là, tout enfant de Nigérien qui se trouve à l'extérieur du Niger. Vous savez, aujourd'hui, eh, les difficultés sont énormes partout. Donc, quand les parents n'ont plus la possibilité de garder cet enfant-là et qu'ils l'envoient ou bien qu'ils rentrent ici au pays, alors là, il y a un mécanisme légal pour que cet enfant intègre le circuit. Donc euh, là, c'est une autorisation d'inscription bonne et forme que le ministère délivre. Donc, ah. selon vous, il ne pas en soi, le recrutement parallèle n'est pas une mauvaise chose. Non, je n'ai pas dit ça, ce n'est pas, c'est très mauvais. Nous luttons contre ça. Ce que nous disions, j'ai dit tout ce que je vous ai dit, les cadres légal pour accéder à nos enseignements. Maintenant, tous ceux qui rentrent hors de ce cadre légal-là est illégal et nous sommes prêts à le combattre. Ça, c'est sans pitié effectivement, c'est ça. Et nous, Sagarba, avez-vous une idée de son ampleur euh, dans le système éducatif nigérien Effectivement, de plus en plus, ce recrutement parallèle prend d'ampleur. Vous savez, c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours connu et que dans le temps, l'administration euh, centrale ne se préoccupe même pas parce que ça, ça ne devrait même pas intervenir. Ça ne devrait même pas. Ça a commencé à partir de la conférence nationale, je veux dire, depuis une décennie. On ne connaissait pas ça. Nos temps qui peuvent penser qu'il peut, peut avoir cela. Même si cela, c'est des cas rares, rares. Mais maintenant, effectivement, c'est devenu un fléau social et que plutôt que d'indexer ou d'incriminer X ou Grec, nous allons ensemble essayer de trouver les voies et moyens pour le combattre. Et ça, ensemble, ça, merci. Inus quels sont les niveaux scolaires qui sont les plus concernés par euh, ce phénomène de recrutement parallèle On les trouve à tous les niveaux parce que depuis que euh, aujourd'hui on a trouvé, il y a euh, au niveau de, de, certaines classes, surtout les premières classes du collège là, la distribution est vraiment énorme. Énorme parce que la masse qui vient en sixième, au bout de deux ans, en tout cas plus de deux tiers là, sont jugés inaptes. Ces enfants-là, qu'est-ce qu'il faut faire Donc les gens trouvent des mécanismes de, de voie pour les faire revenir. Ça, Mais c'est surtout dans les classes d'examen que cela se fait. Cheikh Boudambaji, secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire, le recrutement parallèle, est-ce une bonne ou mauvaise chose euh, je pense que la matière, euh, on ne peut pas défendre euh, ce qui n'est pas légal. Ce qui n'est pas légal. Le problème ne se pose pas en ces termes. Il faut voir plutôt la pratique. Qu'est-ce qui en est à l'origine Vous savez, le recrutement parallèle, en fait, ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le, secondaire qui est concerné. Même le primaire est, est concerné. Qu'est-ce qui se passe <laughs> depuis qu'on était très jeunes, et même nos aînés Lorsque vous finissez CM2 au niveau d'une école, que vous n'êtes pas admis, qu'on vous renvoie, vous avez la possibilité d'être récupéré par un ami directeur d'école qui vous accueille dans son école. En fait, donc c'est pas nouveau. S'il vous plaît, ce, n'est pas nouveau. Même au niveau des collèges, au niveau des collèges, ça a de tout temps existé. Des élèves qui sont exclus du système scolaire, donc qui sont renvoyés. Donc certains, de par les relations qu'ils peuvent avoir, <laughs> ils vont demander à ce qu'on inscrive leurs parents au niveau de la classe, euh, au niveau du secondaire. Et ça, c'était un arrangement qui se faisait avec les directeurs de CEG ou les proviseurs. Alors, la dimension prise par le phénomène et aussi les conditions de ce recrutement parallèle, c'est ça qui interpelle. Vous savez, le recrutement parallèle a plusieurs acteurs. Il ne faut pas qu'on fasse la fine bouche pour diaboliser un tel, un tel. Vous avez beaucoup d'acteurs. Vous avez l'administration l'administration, c'est quoi Vous êtes euh, responsable au niveau central ou au niveau déconcentré Vous avez. Vous parlez des inspecteurs, les chefs d'établissement, les directeurs, les proviseurs. quel, qu'ils soient, même au niveau national. Un parent vient vous dire voilà, on a. Ah, les, parents de les, eux aussi. Je vous parle des acteurs. Donc, je <laughs> demande à ce que vous fassiez tout, que vous fassiez jouer vos relations pour qu'on inscrive votre enfant. Ça, c'est le niveau de l'administration. Mais vous avez aussi au niveau des enseignants. Je suis enseignant, mais je ne peux pas nier ce niveau d'intervention. Parce que nos parents pensent que tout problème de l'éducation, nous sommes en train de le prendre en charge. Donc les parents peuvent passer par les enseignants pour inscrire au niveau des écoles. Et vous avez dit aussi les parents d'élèves. Et les conditions, eh, c'est que euh, certains, lorsqu'ils vous demandent un service, ça peut être payant comme ça peut ne pas être payant. Et la proportion est répréhensible à mon avis, c'est le fait que les chefs d'établissement prennent de l'argent systématiquement. Et c'est un phénomène qu'on rencontre surtout dans les grands centres romains où vous avez des chefs d'établissement qui exagèrent, qui créent un établissement privé dans le public. Donc c'est la proportion prise qui interpelle aujourd'hui eh, l'administration centrale et tout le monde. Mais si vous me demandez, je vous dirais que ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne pratique. Mais il y a un mais. Vous savez, notre système éducatif, euh, vous avez des textes qui sont très généreux. Mais dans les faits, ces textes-là ne sont pas appliqués. La Lausanne, la loi d'orientation de notre système éducatif, dit que l'État assure l'éducation des jeunes Nigériens de 4 ans à 18 ans. C'est ce qui est dit dans la loi. Et en termes de ce pas peu, il doit assurer. Donc dans ces conditions-ci, c'est dit ainsi. Ça veut dire que le jeune Nigérien de 4 ans à 18 ans, il doit rester dans le système scolaire au-delà du secondaire. Donc s'il n'est pas au-delà de 18 ans, là, l'État ne le prend plus en charge. Donc vous avez ce, divorce-là entre la générosité des textes et la pratique administrative. Donc nous avons chaque année, nous avons des milliers d'élèves qui sortent du système scolaire. Il faut les récupérer je, dis, il faut, il faut trouver nécessairement un mécanisme. Je ne dis pas le recrutement parallèle. Ceux qui ne sont pas, que l'enfant qui va en sixième, qui a 12 ans, 13 ans, vous le chassez, vous le renvoyez. Vous voulez qu'il fasse quoi Dans tous les cas, ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de faire ce recrutement parallèle. En quoi est-ce que le recrutement parallèle plombe-t-il l'école euh, publique vous, savez, quand les gens parlent de ça, là, ils n'ont même pas une idée du nombre d'élèves recrutés parallèlement. Moi, j'ai l'intime conviction que ce terme-là, c'est exagéré. Il y a sept recrutements parallèles auxquels il faut mettre fin, ou s'il y a à réglementer, qu'on puisse réglementer, mais ça n'a pas les proportions qu'on lui donne. tout, à, l'heure, vous disiez qu'il y a certains chefs qui ont euh, carrément transformé des établissements publics en, établissements privés. Oui, mais certains. Euh, ça ne veut pas dire que lorsque vous faites le, vous déterminez le nombre d'élèves qui sont recrutés par l'EMA, c'est comme si il y a plus d'élèves recrutés irrégulièrement qui sont dans nos classes que ceux qui sont recrutés régulièrement. Je pense que cette affirmation n'est pas du tout avérée. Ceux qui en parlent, même les services de, de le directeur général, hein, si vous leur demandez exactement c'est quoi le pourcentage, quel est le pourcentage des élèves qui sont recrutés par l'EMA, parce qu'ils ont tout ont les moyens de le savoir. Mais ils ne sauront pas vous le dire. Moi, en tant qu'acteur sur le terrain, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. C'est comme s'il n'y a plus d'élèves recrutés parallèlement que d'élèves qui sont recrutés régulièrement. Alio Hassan Samna, est-ce qu'il existe des zones d'ombre relativement à ce phénomène de recrutement parallèle Merci beaucoup, Mokhtar. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez afin que nous puissions discuter euh, d'une question aussi importante que celle-là. Euh, au niveau donc de la coalition des syndicats, associations et ONG intervenant dans le domaine de l'éducation, pour nous, euh, le recrutement parallèle, il faut vraiment l'analyser avec en toute lucidité. Nous le disons simplement parce que pour la coalition asso nous aimerons à ce que tous les enfants du Niger puissent avoir accès à l'école. Avoir accès à l'école et aussi, en même temps, lutter contre la privatisation et la marchandisation de l'école. Au niveau de la coalition ce nous estimons que nous ayons beaucoup d'enfants nigériens dans la rue. cela est véritablement un problème auquel il va falloir trouver des solutions. nous ne disons pas que euh, la meilleure des solutions, c'est le recrutement parallèle. Non, nous ne le disons pas, puisque euh, le recrutement parallèle, malheureusement, euh, s'est fait dans le cadre donc euh, d'une marchandisation de l'école, puisque euh, tous ces responsables, du moins pour la plupart de ces responsables qui font ces recrutements en parallèle, ne les font pas pour aider. Ce n'est pas pour aider les enfants véritablement, parce que depuis un certain, temps, avant, vous voyez, au moment où on le faisait simplement pour aider, où les, les, enfants se retrouvent dans le système, vraiment au compte donc euh, du social, simplement permettre à l'enfant euh, qui, par accident, a pu quitter le système, de se retrouver dedans, le problème ne se posait pas tellement et le débat euh, était presque inexistant. Mais c'est parce que depuis un certain temps, euh, nous assistons à la marchandisation donc de l'école. Les gens pensent que ben, je suis responsable d'un établissement. C'est comme si c'est on, m'a ouvert, disons, une sorte de, boutique pour me permettre donc de vendre mes services. Puisque au niveau donc, je parle donc du, public parce que quand on parle de recrutement parallèle, euh, c'est au niveau donc du public. Parce que le privé, euh, c'est ça qu'ils font. S'ils peuvent avoir l'exclusion de la moitié des élèves, ils le feront. Donc euh, c'est avec plaisir pour eux, ils ne peuvent que frotter les mains pour dire que cette année, l'école va marcher. Donc c'est au niveau du public, effectivement, qu'on parle de recrutement parallèle. Nous disons que le fait que eh, on institue, on transforme, on crée des classes, on crée même des écoles dans des écoles, en prenant de l'argent, moyennant l'argent, Dès qu'un enfant aujourd'hui euh, vous, vous l'excluez, parce que euh, le DG l'a dit, on constate depuis un certain nombre d'années, depuis ces dernières années, qu'il y a beaucoup d'exclusions au niveau donc, des classes de 6e et des classes d'examen, et des classes de 3e par exemple. Parce que euh, lorsque les enfants se retrouvent en classe de 6e, en fin d'année, étant donné que les enfants sont venus en classe de 6e sans un niveau véritable, alors en fin d'année, on se retrouve avec un nombre élevé d'élèves exclus. Souvent, ça peut tourner autour de 20-30%. Les élèves sont, sont balayés. Alors que faire avec toute cette masse Effectivement, les parents ne peuvent que chercher des solutions à atteindre. Parce que si vous pensez payer trois ans à mon enfant, sixième, cinquième, quatrième, troisième, pour finir, c'est-à-dire la quatrième année, cela va me coûter très cher. Et si au niveau d'un établissement quelconque, le censeur, le proviseur ou je ne sais pas, le surveillant ou je ne sais pas qui, me propose juste le frais d'une année, alors on est tenté d'aller vers ça. Donc vraiment, nous, nous pensons qu'au niveau de la coalition asso EPT, c'est une problématique autour de laquelle il va falloir que l'ensemble des acteurs puissent se, retrouver de, façon à trouver véritablement des solutions à ce fléau. C'est un fléau. Mais on, même le président de la République l'a dit, il faut que les Nigériens puissent rester à l'école. Ils ont droit à l'école. Et nous sommes d'accord qu'ils ont effectivement droit à l'école. Mais comment faire pour qu'ils restent dans la mesure où ils sont, ils sont, ils sont chassés de l'école publique Alors il va falloir bien qu'on trouve une voie. ou on, fait l'analyse, on s'entend, on modifie le texte pour permettre aux enfants de à l'école, ou alors on va continuer à, rester impuissant face au recrutement parallèle. Aujourd'hui, je vous le dis, on peut, on peut tester. Le e, là, je ne sais pas s'ils ont les statistiques, mais je sais que si on essaie d'examiner les écoles, je parle donc des établissements de Niamey, établissements dans lesquels il n'y a pas eu, il n'y a pas eu recrutement parallèle. S'il y a 50, vous ne pouvez pas avoir cinq établissements. Vous ne pouvez pas avoir cinq ça fait, ça fait un dixième. Vous n'aurez pas un dixième d'établissement dans lequel il n'y a pas eu de recrutement parallèle. Et nous estimons que c'est un fléau qu'il va falloir combattre. Qui peut combattre ces fléaux euh, C'est le ministère. Nous estimons qu'il faut que, euh, parce que s'il y a des problèmes, il faut que les gens se retrouvent pour amender les textes. Mais la pratique telle qu'elle est, il faut, l'arrêter. Et comment Qui peut l'arrêter euh, C'est le ministère. Vous ne pouvez pas mettre à la tête des établissements et continuer à garder des gens qui ont des moralités douteuses. Quand quelqu'un s'engêne, se permet de crier, parce que c'est le fait qu'il y a trop d'exagération. à Samna, est-ce que euh, le recrutement euh, parallèle euh, des élèves était une préoccupation pour ASOEPT Mais évidemment, je l'ai dit tout à l'heure. Parce que euh, nous, au niveau de la coalition ASSO et PT, euh, nous sommes pris entre le marteau et l'enclume. Pour nous, il va falloir que tous les, tous les enfants de ce pays-là puissent avoir accès à l'école. Il faut qu'ils restent à l'école. Il faut qu'ils puissent continuer à étudier. Et de l'autre côté, euh, voilà ces jeunes gens qui sont vraiment écartés de l'école, qui n'arrivent pas à avoir accès par la voie réglementaire. Et il y a ici maintenant la mauvaise pratique et qui consiste donc à faire le recrutement parallèle. Donc au niveau de, de ASSO et nous disons que c'est vraiment une problématique face à laquelle nous sommes et dont on est en train déjà de voir comment pouvoir aider le gouvernement à travers effectivement donc euh, nos actions de plaidoyer et de lobbying que nous faisons pour les amener à pouvoir trouver une solution à ça. Nous le disons, il faut que tout le monde reste à l'école. Et nous disons, il ne faut pas qu'il y ait de recrutement parallèle. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut Et nous sommes contre la marchandisation. Nous ne pouvons pas, l'école ne peut pas être vraiment euh, une marchandise qu'on va laisser à, la prestation des uns et des autres, selon euh, l'humeur et l'état d'âme des uns et des autres. Moi, je peux prendre un enfant à 50 000 francs, l'autre prendre l'enfant à 75 000 francs, l'autre prend l'enfant. Il faut bien que euh, vraiment nous puissions nous retrouver avec nos partenaires du ministère pour réfléchir, continuer et pouvoir trouver des solutions face véritablement à ces fléaux. Parce que l'école doit rester gratuite doit rester une école pour tous. L'école, également, doit permettre euh, aux enfants donc, d'émanciper. Donc, être une école de qualité. Inus Garba, vous avez quelque chose à ajouter Oui, effectivement. Donc, euh, par rapport euh, à tout ce que les autres viennent de dire, et surtout par rapport à ce que le camarade SG du CNES e venait de dire, que de tout temps le recrutement parallèle a existé, je suis d'accord, mais c'est c'est à moindre, c'est c'est vraiment euh, rare quoi parce que euh, dans le temps vous savez très bien il y a cette transition effect de de SEM de tombe de tombe 3, mais les inspecteurs veillent parce que moi j'ai vu des cas graine d'enseignants qui ont été tout simplement euh, mis sous ordre à cause de, du fait qu'ils ont ramené des enfants qui ont fait deux fois le CM2. C'est vraiment à un moment où la sanction existait, c'est un moment où également les effectifs sont contrôlables. Donc, euh, avant, les gens ne prenaient pas beaucoup d'argent. Non, il n'y a même pas, d'argent. C'est même pas d'argent. Ce n'est même pas de l'argent. C'est comme il l'a dit, je suis le directeur. C'est social. C'est le social. C'est vraiment le social. Mais aujourd'hui, l'autre, euh, Aliou vient de le dire, c'est vraiment la marchandisation de l'école. Et, de toutes les façons, nous, nous avons euh, cette préoccupation de faire en sorte que, il a évoqué le cas de la Lausanne, la Lausanne dit effectivement que l'État doit assurer donc l'État doit assurer l'éducation aux enfants et je crois que jusqu'à preuve de contraire, cette éducation est gratuite et elle est, ouverte à tout le monde. Il n'y a pas d'exclusion au niveau de l'école, pas dans le sens du cursus, mais c'est-à-dire qu'à l'entrée, il n'y a pas euh, quelqu'un qui ne peut pas accéder aujourd'hui à un établissement public s'il le désire. Vous voyez Mais de toutes les façons, nous sommes aussi en quête de qualité, il faut que l'école soit sélective on ne peut pas garder tout le monde. Mais quand aujourd'hui, dans la politique actuelle du, gouvernement, où le président de la République dit que l'enfant doit rester à l'école jusqu'à 16 ans, et par rapport à ça, vous savez très bien que euh, les ministères sectoriels ont élaboré un programme sectoriel de, l'éducation hein, et qui, de la formation qui va permettre effectivement de répondre à cette exigence-là. Ouais, ce programme, si elle est bien mise en, œuvre, va permettre de faire en sorte que, euh, parce qu'il ne s'agit pas tout simplement que tout le monde reste dans le cursus de l'enseignement général. Un enfant, à un moment, s'il arrive à quitter le système, qu'il y ait une parcelle pour l'accueillir. Et c'est pourquoi le ministère de la formation professionnelle et technique est là. Hein? Vous voyez Donc c'est ça euh, la question. Cher Boudin, vous avez quelque chose à ajouter rapidement Vraiment, je suis d'accord avec euh, ce que dit le directeur général. Vous savez, on a un problème de la prise en charge des élèves. Notre loi, avant même que le président le dise, la Lausanne prévoit que l'enfant soit dans le système scolaire jusqu'à l'âge de 18 ans. Jusqu'à l'âge de 18 ans. Et, la, conséquence de ça, c'est qu'on doit le garder dans le système éducatif jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai une anecdote à, à cet effet. Rapidement. rapidement. C'est des Français qui, étaient, qui avaient une une, coopération avec un établissement, un CEG public ici. Donc, ils étaient venus en fin d'année. Ils voyaient dans la, dans la liste des élèves exclusion, exclusion. Ils, se sont, ils ont interrogé le directeur, mais c'est quoi exclusion <coughs> On leur a expliqué, ces enfants-là sont exclus du système, donc ils ne reviendront pas à l'école. Nous avons euh, la loi que là, qu'en France. Jusqu'à l'âge de 16 ans, on ne vous exclut pas. Si vous ne pouvez pas, comme il l'a si bien dit, de l'enseignement général, vous avez des passerelles où on vous envoie dans une école professionnelle. Chez eux, c'est systématique, à moins que vous ne décidez, en tant que jeune, de quitter l'école. Mais chez nous, lorsque vous dites ça, on va vous dire Ah, voilà, voilà, nous n'avons pas les moyens. Le recrutement parallèle a aussi un caractère social. Il ne faut pas se voiler la face, il a un caractère social. Mais le caractère, l'aspect mercantile de la chose est répréhensible. Selon toujours le journal en ligne Niger Inter, aujourd'hui, il n'est pas rare de trouver des complexes d'enseignement secondaire avec des classes de 80 voire 100 élèves. Cette pratique tolérée par le pouvoir public pose trois problèmes majeurs. Premièrement, elle consacre des pratiques corruptives à l'école. Deuxièmement, elle bat en brèche les normes pédagogiques. Troisièmement, elle oblige l'État à plus investir en termes de construction de classes, de déploiement d'enseignants, de matériel et manuel pédagogique. Alliance ensemble, le recrutement parallèle est-il un frein ou un obstacle pour la promotion d'une école de qualité pour tous Vous l'avez dit, à travers cette pratique, on se retrouve avec euh, des classes pléthoriques. Quand il y a beaucoup d'élèves, déjà, on sait que on ne parlera plus de la qualité. Vous avez parlé de 80, mais je vais vous dire 100. 120. 120 élèves. Comment vous pouvez pouvoir enseigner une classe de 100 élèves Là où on sait que vraiment toutes les conditions sont réunies pour que le professeur se voit euh, vraiment euh, en dehors de, sa tâche normale, comme s'il devient un petit prince ou un petit seigneur qui aura vraiment à décider du devenir de ce bon monde. Parce que effectivement, souvent, euh, cela crée les conditions, n'est-ce pas, de la corruption ce n'est pas évident qu'on puisse d'abord enseigner correctement euh, cette classe. Et aussi maintenant au niveau de l'évaluation et des contrôles, ce n'est pas évident que ce soit les, plus méritants qui vont avoir donc euh, les bonnes notes. Nous estimons que euh, par rapport à cela, il y a effectivement véritablement un problème. Il y a véritablement un problème. Mais qui est responsable, c'est l'État. Aujourd'hui, toutes les normes pédagogiques sont violées. Vous ne pouvez pas. Et le directeur général est là. Ils le savent très bien qu'il y a, il y a des, écoles, des classes dans lesquelles ils ont plus de, 100 élèves. Ils vont dire que non, on n'a pas les moyens. Mais qui doit chercher les moyens si ce n'est pas l'État Et il y a des enseignants, pire que ça, hein, qui sont trop surchargés, qui ont beaucoup de volume horaire, plus que ce que les gens pensent. Et chaque fois, quand le problème de déploiement se pose, on nous dira simplement que non, c'est parce qu'il y a un enseignant qui a deux heures, il y a un enseignant qui a quatre heures, il y a un enseignant. Même si un enseignant a deux heures, quand on lui colle une classe de 100 élèves, vous ne pouvez plus, n'est-ce pas, euh, le considérer comme un enseignant qui a juste deux heures, puisque les normes sont là. Vous ne, vous ne devrez pas, même d'ailleurs, même, si ce n'est pas au Niger, hein, actuellement, dans la sous-région, c'est rare de trouver des classes dans lesquelles nous avons les mêmes effectifs que, euh, le Niger. On dira que l'État a fait des efforts, mais nous estimons qu'au niveau de la coalition ASSO-EPT, si nous voudrons effectivement être au rendez-vous de la qualité, il va falloir créer les conditions euh, vraiment meilleures d'enseignement. Enseignants de qualité, c'est vrai, Classes adaptées pour pouvoir prendre les cours, effectifs acceptables pour pouvoir vraiment permettre aux enfants. Effect, vous avez déjà une idée de l'effectif 35, maximum 40 cette situation n'est-elle pas en partie l'une des conséquences de la politisation de l'administration et de l'école publique nigérienne Mais quand vous parlez de la politisation, mais au Niger depuis, depuis un certain nombre d'années. Mais tout est politique. Mais le premier aspect que nous avons évoqué, à savoir le recrutement parallèle, euh, son fondement, c'est la politique. Aujourd'hui, ceux qui font le recrutement parallèle, parmi les acteurs, il y a les responsables au plus haut niveau. On vous envoie aujourd'hui un ou deux enfants pour vous demander de prendre, mais vous n'avez pas le choix. Le censeur, je ne sais pas, le proviseur ou bien peut-être c'est même l'inspecteur ou le, directeur départemental ou le directeur régional, à qui on instruit de prendre un élève, il ne peut qu'exécuter. Alors moi, en tant que directeur d'école, si l'inspecteur me demande de prendre un élève, mais à côté de l'enfant, moi aussi j'ajoute deux autres. Mon collègue aussi amène deux autres. Et voilà comment on est tombé dans cette situation où vraiment le recrutement parallèle a pris tellement donc c'est la politisation. Nous l'avons parlé. Aujourd'hui, il y a beaucoup, même à Niamey, on le sait, des écoles, des écoles qui sont as en recrutement parallèle. Mais les premiers responsables, ils deviennent intouchables. En dépit du fait que ces camarades-là, ce sont nos camarades. Mais en dépit du fait qu'ils ont euh, prouvé aux uns et aux autres euh, que vraiment la responsabilité qu'on les a confiée, qu'ils ne sont pas à la hauteur. Parce qu'être à la hauteur, c'est de pouvoir refuser même à celui qui t'a mis là-bas pour pouvoir faire des mauvaises pratiques. Mais aujourd'hui, tout ce qu'ils font, cela reste, pourvu que vous soyez du bon côté. Mais quand vous voyez un responsable d'établissement qui est sanctionné, à ah, moment il est du mauvais côté. Chez Baji, euh, peut-on parler de corruption à travers le recrutement parallèle à partir du moment où vous prenez de, l'argent eh, pour euh, poser un acte eh, qui n'est pas régulier, qui n'est pas légal, donc c'est bel et bien eh, une pratique corruptive. Donc euh, de ce point de vue, je crois qu'il n'y a pas de débat à faire. Mais la réalité, lorsque vous parlez de normes, ce qu'on constate, même là où c'est régulier, même là où c'est régulier, l'administration ne respecte pas ces normes. Vous avez des classes de 120 élèves, surtout les, classes de 6e, 5e. Mais les 120 élèves, ce n'est pas le recrutement parallèle qui explique l'effectif pléthorique. Non, ce n'est pas, faut pas qu'on justifie ça par le recrutement parallèle. Mais nous avons des, des où vous avez eh, des classes, eh, parce que c'est un seul enseignant, donc l'effectif qui est prévu par la, les normes n'est pas du tout respecté. Or, si nous voulons la qualité, il n'y a pas de mystère. Il faut nécessairement, surtout dans les, niveaux inférieurs. Vous voyez, par exemple, chez nous, on dit que c'est de primaire là, c'est 60 élèves. Vous vous rendez compte Et les gens occultent cet aspect. De la sixième en cinquième, où vous apprenez à lire, à écrire, l'enseignant a besoin de prendre votre main pour dire faites comme ça. Alors si vous mettez 60 élèves, il est bien évident que ce sont ceux dont le bon Dieu a doté de l'intelligence, ce sont eux qui vont s'en sortir. Au niveau du secondaire aussi, <laughs> c'est là en pratique. Au niveau du sixième, il faut vous intéresser à l'indicateur en fin d'année, le nombre d'élèves. Il y a des statistiques qui sortent chaque année. Le nombre d'élèves qui sont exclus de la sixième et le nombre d'élèves qui sont exclus de la seconde. Les deux niveaux de transition au niveau du secondaire. Vous allez vous rendre compte que vraiment les chiffres sont effarants. Et il n'y a pas que ça. Il faut voir aussi le nombre d'élèves qui redoublent. Euh, Cheikh Boudambaji, est-ce que le recrutement parallèle est un obstacle pour l'émergence des écoles privées dans une certaine mesure. Ce n'est <laughs> pas pour rien que vous les entendez tonner. Ils sont les plus intéressés. Ils les plus intéressés. Or, <clears throat> ceux qui optent pour ce recrutement, <clears throat> ne le font pas de gaieté de cœur. C'est parce que c'est plus facile, comme le Ali l'a expliqué. Mon enfant qui est exclu de la sixième, si je peux donner 50 000 francs, pour qu'il fasse tout son cycle, sixième, troisième, mais je n'hésiterai pas un seul instant. Donc, ceux qui ont les moyens eh, d'inscrire leurs enfants et eh, au niveau de, du privé, il n'est pas donné à n'importe qui de le faire. Non, il y a la problématique. Il faut, c'est ça le fond du débat. Comment garder les élèves jusqu'à l'âge de 16 ans ou 18 ans dans le cursus scolaire C'est ça la problématique. Il Inus pas le recrutement parallèle, comment situer euh, les responsabilités chez les parents d'élèves, les responsables d'établissement ou chez les enseignants eux-mêmes Ça, c'est à tout le niveau, comme vous venez de le dire. Les autres également viennent de le dire. Ils disent que c'est en fait la voie facile pour permettre à un enfant exclu de, continuer son cursus. Il y a beaucoup de, facteurs qui rentrent en, en ligne de compte, dont surtout la pauvreté, et je crois que je dis des, des, ménages qui, qui, qui est Il y a aussi la faible performance même de notre système, il faut le dire. Il y a, si vous voulez, la précarité dans euh, laquelle se trouvent nos établissements aujourd'hui. Donc, euh, les établissements, un établissement qui, fonctionne avec euh, peut-être 300, qui devrait fonctionner avec 300 élèves, se retrouve avec 2000, n'est-ce pas et tout au long de l'année, peut-être régulièrement, hein, si c'est régulier, normalement, au fond, en fin d'année, on n'a toujours pas les capacités, en fait, de, de, les doter des moyens nécessaires pour leur fonctionnement. Mais cela n'est pas une raison pour euh, s'adonner en fait à des pratiques illégales au sein de nos établissements. Ça ne, ne leur donne pas une carte blanche parce que l'État a toujours pensé à des mécanismes pour pouvoir faire fonctionner les, établissements et c'est euh, cette introduction de projets fonctionnels au niveau des enseignements de l'enseignement secondaire dont presque un projet euh, d'établissement est toujours élaboré en début d'année et là où on revient à une disposition en fait de la Lausanne qui dit que les coûts en fait de, l'éducation sont partagés entre l'État, les parents et les partenaires. Euh, je ne sais pas ce que ASOEPT nous apporte, mais euh, si chacun, nous montre les... Il aura l'occasion de s'expliquer. <laughs> allez-y, allez-y. Donc, dans, ces conditions-là, je crois que euh, ça peut permettre aux, établissements d'avoir un minimum pour fonctionner et éviter, en fait, d'aller dans l'illégalité. Et ceux qui le font, ils le font tout simplement, euh, je dirais, par cupidité, ces acteurs-là, c'est le terme, euh, je, pèse mes mots, et où, euh, si vous voulez, tout simplement un déficit d'éthique, n'est-ce pas, qu'on retrouve chez certains responsables, parce que moi, je ne veux pas, quand on me confie une certaine responsabilité, demain comme index. Et nous, Garba, à ce niveau, est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour réglementer ce phénomène Effectivement, vous avez vu en 2016 une tournée qui a été euh, menée au niveau de certains établissements, que ce soit même l'année passée, ça a été fait également, que ce soit au niveau de Niamey comme dans les autres euh, chefs-lieux de région. Ça a permis de voir en fait, euh, et difficile de vous dire aujourd'hui exactement avec exactitude en fait les chiffres. Vous Mais ça a permis de circonscrire un peu l'ampleur que d'année en année le phénomène est en train de Déjà, le premier passage en 2000 où des sanctions ont subi, vous êtes témoin, plusieurs chefs d'établissement ont été remplacés pour ces, ces, ces problèmes-là. Ça a permis un peu de, ralentir. Je ne dis pas ça a permis d'éradiquer, mais ça a ralenti. Mais vous savez, les enfants, les, les gens ont les habitudes difficiles. Vous On a des habitudes difficiles et il faut que ce phénomène d'absence de sanctions-là soit vraiment euh, introduit pour que les gens se prennent conscience qu'il euh, il ne faut pas faire du mal, mais on peut légalement faire en sorte que l'enfant puisse rester dans le circuit. Et surtout qu'aujourd'hui, l'enseignement professionnel et technique, est là peut-être prêt pour, pour, pour répondre et reprendre. Vous avez vu comment l'État, combien de, centres ont été créés dans toutes les communes aujourd'hui. Hein? Au niveau de tous les départements, il y a des collèges professionnels. Là, c'est vrai, c'est par, par orientation, mais il y a aussi les moyens d'accéder n'est-ce pas, euh, sous forme de moyens, je crois, euh, une participation des parents. Donc, euh, toute cette politique-là, c'est pour éviter que les gens aillent dans l'illégalité, pour qu'on ait en fait euh, une habitude, une moralité qui nous permet de faire en sorte que nos enfants-là, n'est-ce pas, puissent euh, se responsabiliser, puissent se départir en fait de cette mentalité d'assister que les parents font et qui fait que aujourd'hui ils s'adonnent ou ils ne travaillent pas, où ils font tout ce qu'ils parce qu'ils savent qu'à la fin, mon père va se débrouiller ou ma mère va se débrouiller pour que je sois ailleurs. Donc il y a beaucoup de facteurs qui, qui, qui rentrent en jeu. Mais je vais répondre à à Lyon parce que la massification des élèves dans l'école où il disait que nulle part ailleurs euh, on ne voit pas dans, dans un établissement 100, élèves ou vais Je vous assure, en, 1996, moi j'ai fait un stage dans un lycée très très très très connu de, de, Ouaga, c'est le lycée Nelson Mandela. En terminale D, j'avais 120 élèves et je corrigeais la philosophie. Vous voyez ce qu'on me fait J'ai fait mon stage là. Donc euh, c'est pas c'est pas propre au Niger. Le phénomène de massification se trouve partout. Alors maintenant, c'est ensemble, vous, vous êtes notre, partenaire, je dis apporter votre contribution, de faire en sorte qu'ensemble nous trouverons les moyens, n'est-ce pas, pour que les gens euh, vraiment se, se, tiennent à la légalité. C'est tout. Alio Hassan Samna, euh, proposez-nous quelques pistes de solutions pour euh, la promotion d'une école de qualité dans les établissements scolaires au Niger. Effectivement, déjà, vous l'avez évoqué. Euh, lorsque les ressources au niveau du fonctionnement de l'administration, les ressources sont insuffisantes, il y a problème. C'est pour cela qu'au niveau de la coalition asso nous avons estimé qu'il va falloir qu'on cherche des ressources vraiment complémentaires pour permettre donc à l'administration de fonctionner. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, l'État ne peut pas tout seul prendre en charge l'éducation, puisque euh, effectivement nous ne sommes pas en 99, la population nigérienne elle a beaucoup évolué. Il va falloir donc chercher des ressources complémentaires. Pour cela, au niveau de la coalition ASOEPT, nous avons déjà réfléchi et nous continuons à réfléchir pour amener notre partenaire effectivement à aller dans ce, dans ce sens. Nous avons dit qu'il faut que tout le monde puisse contribuer. C'est vrai, déjà les parents contribuent, mais ça ne suffit pas. il y a encore des structures plus fortes qui ont beaucoup plus de ressources euh, que nous devrons amener à contribuer au financement donc, de l'éducation au Niger. Quand vous prenez par exemple euh, les sociétés de téléphone euh, ou bien d'autres institutions qui sont là, euh, qui gagnent de l'argent, nous estimons que au niveau de ASSO, nous pouvons, avec nos partenaires, aller dans ce sens de façon à ce qu'ils puissent apporter leur contribution donc à cela. À un certain moment, vous avez vu, eh, lorsqu'on s'était permis juste de, prélever, même si c'est un franc par, par communication, c'est que cela pouvait dégager comme milliards qui pouvaient eh, supporter nos écoles. Nous estimons que plus il y a des ressources de fonctionnement au niveau donc euh, de nos établissements, et plus la tentation donc des chefs d'établissement de pouvoir vraiment faire souvent ces pratiques. Ces pratiques, ce n'est pas pour nuire que les gens le font. Les gens le font, c'est vrai, souvent pour aider, d'autres fois pour avoir des ressources pour fonctionner. Alors si nous estimons que des ressources euh, sont dégagées, si nous sommes arrivés à mobiliser ces ressources et les mettre à la disposition donc des écoles, nous pensons que vraiment nous pouvons euh, minimiser tous ces aspect et nous pouvons contribuer davantage à la recherche donc de la qualité au niveau donc de nos établissements. Cheikh Boudambadji, rapidement proposez-nous quelques pistes de solutions pour euh, promouvoir davantage l'école publique nigérienne. Mais vous savez, la qualité, il n'y a pas un ministère pour la qualité. Vous savez, les pays scandinaves, la Finlande, est le pays qui a les meilleurs indicateurs en matière euh, scolaire. Mais la Finlande est aussi le pays qui investit le plus dans l'enseignement. Donc, eh, si nous voulons la qualité, il faut, investir. il faut nécessairement passer par là. Parce que la qualité, c'est un bon environnement. Que l'enseignant puisse avoir des manuels, que les enfants puissent avoir des manuels et qu'on ait un système stable. Donc, un enseignant aussi, bien formé, bien motivé, c'est autant d'éléments qui font la qualité de l'enseignement. Donc, à la matière, vraiment, il n'y a pas de mystère. Les gens savent ce qu'il faut pour qu'on arrive à la qualité. Mais ils ne le font pas. Quand il s'agit de donner des fonds politiques, des fonds spéciaux, les gens savent le faire. Mais s'il faut promouvoir une école de qualité, dès qu'on dit, ah, là, nous n'avons pas de ressources. Moi, je suis du secondaire, mais je sais qu'il y a des collèges ruraux où l'enseignant est obligé de prendre les vieux cahiers des élèves pour préparer. <laughs> Parce que eh, on n'a pas mis les manuels qu'il faut pour qu'il fasse ses préparations. On n'a pas mis même ce qu'on appelle les référentiels, les programmes. Mais je vous dis, il y a des enseignants qui sont parachutés comme ça. Ils arrivent dans un collège ou dans une école primaire sans qu'il ait un minimum pour enseigner. Donc aussi longtemps qu'on sera dans ces conditions, vous avez beau parler de qualité, c'est seulement bavardage. Inus Garba, est-ce qu'il y a des perspectives heureuses du côté du ministère des enseignements secondaires pour euh, davantage améliorer la qualité de l'école publique euh, nigérienne euh, Absolument, absolument. C'est d'ailleurs la tâche principale du ministère des enseignements secondaires, c'est sa mission principale. C'est pour un enseignement de qualité au niveau du système scolaire secondaire quoi que le camarade DSG dise, je crois que euh, nos programmes sont présents dans tous les établissements secondaires parce que euh, même si ce n'est pas arrivé au niveau du collège euh, rural créé en cours d'année, le directeur ou le, professeur mis à la disposition de cet établissement est obligé de transiter par la direction régionale et je vous assure qu'il ne va pas être dans son établissement sans qu'on lui donne le programme qu'il va enseigner. C'est hors de question. Donc, euh, dans cette perspective-là, nous l'avons dit aujourd'hui, la politique actuelle de, l'État, c'est effectivement d'aller vers euh, un curriculum, n'est-ce pas, qui prend en compte en fait tous ces aspects-là. Et au niveau même du ministère, nous avons une politique aujourd'hui d'aller vers un type de collège euh, rural n'est-ce pas, ce qu'on appelle les collèges de proximité, où euh, si tout va bien, ce sera euh, un continuum, un continuum de, l'école primaire où les enfants n'auront plus à besoin à quitter en fait là où ils étaient pour aller dans un autre village qui crée beaucoup de problèmes. Et ça va non seulement les motiver, et ça va euh, permettre également de créer des cadres qui permettront aux enfants d'accéder avec des professeurs polyvalents n'est-ce pas, qui les prennent en charge avec euh, une incitation à rester dans ce modèle de collège type-là que nous sommes en train d'expérimenter déjà avec euh, l'UNICEF. Il y a deux qui, sont en, cours de, construction cette année n'est-ce pas Depuis l'année passée, on a sur deux sites, hein, à Zender et à Ottawa. Donc on va aussi continuer dans ce sens-là parce qu'une étude a été faite, validée, et j'espère que si ce modèle de collège de proximité-là est en train de prendre son petit bonnet, on va rapprocher les enfants, l'école des enfants, les enfants de leurs parents, et ça va permettre en tout cas à l'enseignement du secondaire, n'est-ce pas, de, pérenniser, de se qualifier et de, contribuer à la réussite des enfants. En termes de conclusion, toute les partis s'accordent à reconnaître que le recrutement euh, parallèle est une problématique euh, majeure. Par conséquent, exhorte l'État, les partenaires et les parents d'élèves à investir euh, dans l'éducation et réorienter les élèves vers l'enseignement professionnel. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Inoussa Garba, directeur général des enseignements au ministère des enseignements secondaires, Chebou Dambadji, secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire SNES, et Alio Hassan Samna, président de la coalition des ONG et associations et syndicats pour une éducation pour tous à ce EPT. Merci à nos invités et merci à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 34 radios partenaires. Merci, au revoir.